C'est un secteur qui comprend plus de 120 corps de métier, donc ça rassemble énormément et ça concerne une forte euh, partie de la population sénégalaise. Et euh, donc c'était très important pour nous de mettre en avant ce secteur-là aujourd'hui de rassembler, euh, de mutualiser euh, tous nos bénéficiaires, d'aller à leur rencontre, de les inviter et de pouvoir prendre en compte euh, leurs besoins afin de, de pouvoir également les mieux les accompagner. Donc c'est pour ça aujourd'hui que pour l'ADER, c'était vraiment très très très important de mettre en avant le secteur de l'artisanat, de rencontrer ces artisans et de pouvoir euh, les, prendre en, considération leurs besoins afin de pouvoir les accompagner euh, d'une meilleure façon. On accompagne nos artisans de plusieurs manières, donc on essaye euh, de, les faire, de, de, les accompagner, de leur faire profiter en les emmenant en formation à l'étranger, que ce soit par exemple dans le secteur euh, des cuirs et peaux, de les accompagner euh, pour qu'ils puissent rencontrer euh, des gens à l'international, pour qu'ils puissent s'en inspirer. Et au niveau du numérique, il y a plusieurs façons de les accompagner, que ce soit pour améliorer euh, leur image, les aider à mieux vendre leurs produits. Donc on est en train de faire euh, plusieurs programmes différents dans, dans, dans, les, dans différents secteurs de l'artisanat. tey gis nañ ne artisanat dafa nekk secteur boo xamante ne secteuru secteur bu am doole la ci ci dëkk bi waaw du mu ëmb comme sama naataango bi ni mu ko waxee bëri euh, ëpp na ëpp téeméeri euh, corps de métier waaw

les, les mécaniciens aussi. D'ailleurs, avec les organisateurs ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi euh, voyage d'immersion pour gën leen ñu gën ñu gën am ñu ci euh, xarala yu